Bonsoir amis internautes de aux médias. Cette vidéo me fait énormément plaisir parce que la danse que nous avons, euh, qui est la danse Mbalak, est exportée à vous euh, cette vidéo. Cette dame-là est en train de danser le Mbalak. Euh, elle danse très bien le Mbalak, Ça montre que les gens qui sont là au Sénégal en train de donner des cours aux étrangers qui viennent ici au Sénégal pour apprendre le Mbalak, franchement, ils font, ils font bien leur boulot et ça me fait énormément plaisir. Euh, celle-là, c'est une européenne. Euh, les autres femmes, c'est des chinoises. En tout cas, elles sont en train d'apprendre la belle danse qui est la danse mbalak au Sénégal. Ça montre que la culture nationale, notre culture euh, nationale, le mbalak marche très bien. En tout cas, ça fait plaisir. Quand je regarde cette vidéo-là, je me sens vraiment bien et ça me fait énormément plaisir. vive le mbalak, vive la danse sénégalaise. beaucoup de vidéo bi daf ma lool li nga japonaise ak Benne femme européenne bo xamanteni ni ñu ngi fecc li nga xamanteni ni moy sunu mbalax national en tout cas man li sama xol sedd na ci guuy guuy guuy guuy motax je vais partager cette vidéo avec vous et nous allons regarder la danse de de ces jeunes femmes ñu seetaan Vive la culture, vive mon pays le Sénégal. J'apprécie beaucoup ces danseuses. Merci.